maa ngi tudd madame Fatou Bintou Diop mangi ngi dëkk fii ci Ngamékhé nekk municipal dëkk fii ci Lébu Ouest ci extension bi waaw loolu euh, yaakaar naa euh, bu ñu ci waxee ci kanam di ngeen comprendre bu baax ni affaire bi doxe demee ndax yàlla dafa dogal man fii 2004 laa ko jënd bi ma ko jëndee may defar lu plan bi xaar ba 2005 may defar lu plan bi boobu fii dara nekku fi de mënu ma situer sama parcel ma wuti extrait plan bi pour mëna xam man fan la sama kër nek nga xam duma du ma tabax ci kër jambour bala may am jafe-jafe bi ma amee extrait plan bi nak la gis ni e, benen parcel bi ci top ci man ci kanamam L25 bi réserve la Mana fo xam ni du a usage d'habitation waye lepp lo xamni utilité publique la war nañ ko fa mëna def moo xam jàkka moo xam juma moo xam marché moo xam dispensaire moo xam lépp laa loo xam ne lu collectif la du ni sax ñun ñoo ko moom muy quartier bi waaye ngaay gépp a ko bokk puisque euh, dañ ko fa bàyyi ngir lépp loo xam si daal ñenn collectif bi ñu def ko fa bi yàlla dogalee ah ñu ñëw fii ba bërki démb samedi il paraît euh, lanu ñëw morsale ko biñ ma ko waxee dama woo monsieur le maire ni ko il paraît que euh, fii ñu bëgg a def espace vert nun waa quartier bi ah euh, dañ ko morcelé mun ma effectivement en fait morcelé nañ ko et puis affecté naa ko attribué naa ko boobu moo la utiliser ma ne ko ah loolu de dina doy waar kooku attribué de ñàkk na ko léegi nag ci la waa koñ bi yëpp génn ñu def un collectif collectif bi mooy lan

def ci ampliation jox benn gouverneur yóbbu benn ministère de l'urbanisme et des logements loolu lépp nag dañuy def alerte ndax dañuy bañ coow am ci ndax suuf kenn ku ne xam ne ni mën naa indi lu nekk jéeya te comme dañu ñunu neen la ñun waa Ngaye ñunu neen la ñun waa quartier bi ñunu neen la bala cee dara xew moo tax ñu alerter ñooñu ndax en ëllëg lépp loo xam si am na ci ñu xam ne lii moo ko waral li tax tam ñu opposé ci farouchement

tay ñu dëkk fofu bu fekkee ni yalla dogal na bañu dëkk fi buñ fi défé fi dispensaire ñu man di fi faju ci buñ fi défé marché ñu man di fi duggé ci buñ fi défé jakk ñu ñëw di fi jullé ci yoy yépp moo tax collectif bi nii non à l'accaparement des terres parce que daf ko bëgg accaparer té loolu du mëna nekk man nak dama non sax dootuma ci wax waye mëno ci ñak baña wax ndax té mbirum ngaay la mbirum ñëpp la ni ma ko waxé sank rek mbir la mo xamni ne kenn mu ko ñëpp ko bokk kon kenn amu ci wara man am sañ-sañ bo xamni dang ci def lo xamni ci waro ko cey def benen bi ci dess moy même procédure bi bu fekkono légalement la ko jël entamé ko mandam dina jeex du dag mom puisque souf affaire yombul loolu mom nako Ham xam bu wir souf mom affaire am yombul Lolo tax nak ñu opposé ci amuñu len benn problème bu ñu am ak monsieur le maire c'est notre frère waye jëf ji mu jëf ñun mom lañuy attaquer puisque tegu ko fenn lenn lu ñu ko cay dégg moo ñu rek comprendre ak opinion bi xam ni mbir mi gudd gàtt lii rek la. connu sous le nom de Karasek je suis conseiller municipal conseiller municipal donc euh, je confirme réellement les dires de Fatou Binti Diop mon ma collègue effectivement le maire a morcelé un terrain à usage public en des parcelles à usage d'habitation euh, voilà un maire qui ne connaît même pas euh, les règles de procédure pour faire un morcellement. Donc il aurait dû écrire une lettre, il gêne euh, à cette lettre-là un plan, un plan qui doit s'insérer dans le plan de masse. C'est-à-dire, il a un extrait de plan, il devait morceler et adresser ça au service technique, au préfet, qui doit faire leur enquête, vérifier si ça s'insère dans le plan de masse. Mais voilà qu'il vient un bonjour, qu'il met, euh, euh, met ses piquets, il, euh, morcelle, ensuite il distribue ça à ses affidés. Donc, dès l'instant que le préfet donne son accord, il devait vraiment convoquer une réunion municipale. Et durant cette réunion-là, les gens devaient se prononcer. Donc il ne l'a pas fait. Donc je ne sais pas s'il euh, ignore les règles de procédure ou bien s'il a une boulimie foncière. Parce qu'un espace public doit être euh, vraiment réservé à un intérêt public. Que ça, que ça soit une mosquée, un terrain de jeu, une case de santé, n'est-ce pas Donc euh, voilà un maire qui est en porte-à-faux avec les nouvelles orientations. Parce que maintenant, au niveau des Nations Unies, de l'ONU Habitat, au niveau aussi de l'État du Sénégal, on parle maintenant de cadre de vie. Des ministères même ont été érigés. Le ministère euh, du renouveau urbain. Donc, c'est pour améliorer. Maintenant, on parle de qualité de vie. C'est pour améliorer la qualité de vie des populations. Parce que nous savons que les, les quartiers qui ne sont pas bien lotis sont sujets à beaucoup de maladies, beaucoup d'agressions. Donc, ça va entraîner la promiscuité. Donc autant d'éléments que nous voulons éviter, que le président veut éviter, que les Nations Unies veulent éviter. Donc on a donné des directives pour qu'on s'occupe de la qualité de, vie. Donc voilà un maire qui, se démarque de ces orientations-là. Parce que maintenant, au Sénégal, on dit un Sénégal vert. Ça fait même partie des, orientations du, du, PSE, de, euh, le, troisième, euh, le deuxième mandat du président de la République. Donc, euh, nous disons non, nous les populations. Nous n'allons pas accepter cela. Le maire doit vraiment euh, suivre les règles. Depuis le début de son, mandat, il ne suit jamais les règles. Il, te dit toujours que la loi, moi je, mets ça euh, de côté. Il n'a jamais voulu appliquer la loi. Il fait ce qu'il veut. Et ça, les populations ne vont pas l'accepter. Il a essayé ça au quartier Mbamara. Les gens se sont levés, il a fui. Il l'a fait au quartier Diop. Aujourd'hui, il veut le faire dans le quartier Ngadjité. Les gens vont refuser. Un espace public doit destiné à un intérêt public. Nous ne l'accepterons pas et nous allons écrire à qui de droit. Nous écrirons au préfet, nous écrirons au Cadas et au service technique. à écrire au président de la République pour qu'il arrête. Parce que ça, c'est contraire aux nouvelles orientations de ce monde moderne-là, qui veut un Sénégal vert, un Sénégal espacieux, n'est-ce pas euh, Une qualité de vie donc, euh, c'est ça mon, ma position sur ça.